information bi ko présenté noonu demewul noonu demewul du problème xaalis motax ñu renvoyer femme le mari même a fait un demande par rapport à ça et je peux mettre à votre disposition cette vidéo là le mari fait un témoignage pour dire que c'est pas un problème d'argent motax femme bi accoucher c'est juste un problème technique elle devait accoucher fo xamné y bloc bu disponible suñu bloc actuellement les lits étaient occupés donc les gënoon euh, prudent par mesure de précaution on l'a demandé d'aller à Nabil La femme bi fait def hmm, on l'a admise dans nos suites de couches en charge femme bi en bonne santé def deux ou trois jours Elle deux ou trois jours actuellement la famille c'est le ticket même de sortie c'est 10 000 francs Si fay accouchement bu le centre de santé voilà prise en charge gratuitement on l'a exonéré on a pris en charge le ticket de sortie mhm. donc les choses se présentent ainsi pas comme nous. on s'est rendu compte que depuis un certain temps le centre de santé Philippe Seigneur fait l'objet de beaucoup d'attaques attaques des fois tu connais même pas le mobile lan c'est des attaques, souvent, ces attaques qui ne sont pas fondées, qui sont contraires à la réalité des faits. Donc, nous ñaan nit ñi le temps de de recueillir le maximum d'informations avant de se prononcer parce que li que actuellement c'est que le centre de santé subit euh, régulièrement ces genres là qui ne sont pas justifiées donc on a pris la mesure ferme vraiment de ne plus se laisser faire et que toutes ces là bon, vraiment, on ne va pas en rester là. On va prendre toutes les dispositions nécessaires pour, pour que la lumière soit faite sur ces attaques-là et que de pareilles situations ne se reproduisent. Dans la situation actuelle, là, vraiment, euh, le centre de santé va porter plainte contre tous ceux qui ont euh, sorti que c'est un problème d'argent qui a fait que la femme n'a pas été prise en charge. On ne va pas en rester là pour cette affaire parce que c'est de trop quand même parce que y avons cette fois-ci euh, le centre de santé a a beaucoup perdu de sa son image par rapport à cette situation on nous appelle de partout de l'étranger pour nous dire que comment ça s'est passé alors que c'est un tissu de machination de mensonge donc il faut que notre honneur soit lavé donc dans les prochains jours on va prendre toutes les dispositions nécessaires pour traduire ces personnes-là qui ont véhiculé ces fausses accusations contre le centre de santé Philippe saint Senghor.